Mais nous sommes des partenaires. Donc, on a travaillé en partenariat avec euh, les radios communautaires, communicateurs, qui est d'une importance extrêmement capitale, qui nous permet, en tout cas, nous, organisations professionnelles, sociétés civiles, administration, de pouvoir mieux atteindre la base pour pouvoir communiquer, vulgariser et les sensibiliser sur les enjeux véritables de la pêche. Quels sont Par exemple, aujourd'hui, il y a la gestion durable de la ressource quand on parle de gestion durable de la ressource, il faut rationaliser la ressource. D'abord, connaître l'état de notre ressource actuelle. Quelles sont les flottes qui travaillent ou bien qui pêchent dans nos eaux, y compris la pêche artisanale. Et quand on demande la publication des registres et des listes des bateaux qui travaillent sous les eaux sénégalaises, y compris également, je précise, la pêche artisanale. Tantôt, on nous parle de 18 000 pirogues, 20 000, 22 000, qui sont les pirogues qui ont des licences et le nombre de pirogues. Ça nous permettra de mieux gérer et assurer la sécurité de nos pêcheurs artisans. La recherche, si on on n'a pas l'état de la ressource, comment on peut attribuer des possibilités de pêche, qu'elles soient industrielles ou artisanales, au niveau de nos eaux Et depuis 2015, on ne connaît pas l'état en tout cas de nos ressources halieutiques, ce qui n'est pas du tout normal parce qu'on a une recherche extrêmement qualifiée et responsable. Il faut les outiller pour aller vers une meilleure planification, en tout cas une meilleure gestion euh, des ressources halieutiques au Sénégal. Il y a aussi la, raréfaction de la ressource. Mais ben, justement, c'est ça qui amène la raréfaction de la ressource parce que non seulement il y a une surexploitation, également il y a une surcapacité de pêche. Et donc, surexploitation, surcapacité, et ce qui est étonnant, on veut réduire l'effort de pêche, parce que le Sénégal est dans la dynamique de réduire l'effort de pêche. Mais comment voulez-vous réduire l'effort de pêche et maintenant l'intensifier autre part, en attribuant des licences de pêche, surtout sur les petits pélagiques, qui est la base et le filet de sécurité alimentaire de nos populations. Donc c'est vraiment une contradiction qu'aujourd'hui l'État doit revoir sa politique de pêche vis-à-vis vis à vis

ñun bu ñu amoon ba mu doy ñu wala ñu ne am nañu as néew naka ngay demee ci réew yi nga xam ne jege nañu at ñun dem di fa wuti ba ñu ci rey suñu ay doom te tey ba bépp sénégalais kenn ku nekk nekk sénégalais ci ñun muy yéen muy man muy keneen ak keneen am na loo xam ne mi ngi xew war nañu interpeller mooy am na lu toll ni ëpp ñaar téeméeri doomu Sénégal yu dem Espagne pour ne dañuy wuti liggéey ñaar am nañu njaqare ci réew mi amatuñ ci yaakaar. mais li gëna yëm nit ñi nak mo ñi ëpp ci ñom ay napakat lañ digënté mbuur kayar at ndar lañu bayé ko kon koku képp sénégalais et surtout ki nga xamné mo jitu ci sénégalais yi muy le président de la république monsieur Macky Sall plus ki nga xamné mom lañu dënk ñu gi ñom ñaar la gëna interpeller bala mu ñu interpeller ñu donc war nañ ci taxaw lan lañ ci war def ba nga xamné mom euh dina ko mëna a té benen bi moy nit buñ la dénkee dara da ngay lekkolok nit di waxtan ak ñom di yëgoog ñom parce que liñ ca dénk moomuloo ko askan wi moo ko moom te lu askan wi moom foog nga pencoo kook ñoom waxtaanee ko ba ngeen xam ne di ngeen ci mën a génne ay solution ñàkk jën bi moom euh, mooy li ma la wax sànq bu bu fekkonte ne ñàkkuñu jën du ñu dem di ko jéggaani feneen mais am nañ ko amuñu ko moo tax ñu dem di ko jéggaani feneen